Magneto de Rahma. C'est parti. Afro-basket masculin 2017. Après avoir perdu face au Nigeria, Ndoye annonce sa retraite internationale. Capitaine emblématique de la sélection nationale de basketball, Ndoye a annoncé sa retraite internationale à la fin de la demi-finale perdue par les Lions devant le Nigeria à l'Afro-basket 2017 à Tunisie. C'est fini, j'arrête, a dit Malé Gorgui s'excuse de n'avoir pas ramené la coupe. Le pivot international des Lions du Sénégal, Gorgui s'est dit très peiné de ne pas pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec ses coéquipiers et présente au peuple sénégalais leurs excuses. Afrique du Sud, Sénégal a rejoué. La fédération burkinabé a saisi le tribunal arbitral du sport contre la décision de la Fédération internationale de football FIFA de faire rejouer Afrique du Sud, Sénégal en novembre en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. L'équipe du Burkina qui est actuellement en tête du groupe D où évoluent également Sud-Africains et Sénégalais s'estime laissé par ce choix racisme. Cap Vert, Sénégal. Maïgnan pourrait être la surprise de Alucissé pour le match retour Cap Vert, Sénégal. Le franco-sénégalais qui n'a pas beaucoup de chance de jouer avec l'équipe nationale de la France pourrait figurer sur la liste des Lions. Selon nos confrère du journal Stade, le sélectionneur national des Lions de la Teranga qui est en quête d'attaquant est entré en contact avec Maïnan si les discussions aboutissent, l'attaquant de Torino pourrait figurer sur la liste des Lions, retenu pour affronter le Cap-Vert le 7 octobre prochain pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le nombre de pénalty a triplé en 10 ans entre les éditions 2006 2007. la partie sport avec Rahma. Cool, cool, cool, cool. J'adore, j'adore, vraiment. Comment euh, vous mixez la, chanson et tout, la, voix de Rahma, j'aime beaucoup. Maintenant, Rahma, mhm. résume-moi tout ce que tu as dit dans le magnéto.

mu koy muy am lu ko metti parce que nee na bu sañoon aussi euh, mu indi coupe bi te it euh, mu ngi baalu ak sénégalais yi. Mm-hmm. vraiment bon peut-être que lu mënul woon ñàkk la euh, mais tamit. yéene la comme moom it mënul euh, arrêté parce que xam na ne que tamit équipe bi dina dem euh, fu kawe. Mhm. mais euh, mu ngi baalu àq bu baax. d' accord non mais bal nañ ko bal nañ ko. <laughs> sincèrement on n' a rien contre n'est-ce pas. Hein? voilà on n' a rien contre Gorgui mm, pas du tout. tu as quelque chose contre lui. j'ai pas mais réew ma Gorgui Sy si de. Mhm. pour lan ñuy baalu bañ demee ba perte ba pare lan ngay baalu. jàllal ci yenn information. waaye genre bi moo tax. ñuy baalu non man bàyyi <laughs> naa sport man bàyyi naa sport man bàyyi naa. Il s'excuse, il a toujours mal, mais voilà, il ça va. C'est la loi du sport. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Pas, voilà. voilà. Euh, nous si le football. Euh, euh, Afrique du Sud Sénégal bi nga xamante dañ ko mu en 2016. Eh ouais, ça fait couler de l'encre hein, ça. Euh, Wa Burkina Nak nga xamante ne nii en tête de tête de liste bu groupe D. effectivement ñoom dañoo jël engagement boobu nous euh, mhm. contre euh, décision bi nga xam FIFA ñoo ko effectivement voilà pour match bi Lo xamante ni lu rare lu amul fenn fenêtre internationale lañ rejoué a joué match bi. Mhm. en novembre ci date bi bon jusqu'à nouvel D'accord, donc c'est rare. Donc le Burkina Faso euh, n'est pas content du tout. Et bon, objectivement, objectivement, ils ont raison. Mhm. Dans le fond, ils ont raison. Euh, maintenant, euh, parce qu'ils sont premiers, mhm. si euh, l'Afrique du Sud joue, rejoue contre le Sénégal, mhm. et eh ben ils vont perdre des points, ils vont perdre, il se peut qu'ils perdent leur place. Donc c'est pourquoi, objectivement, ils ont raison. Dans le fond, ils ont raison. Et puis le Sénégal, si ça se passe vraiment ce match, lui, si c'est un intérêt vraiment à mettre les bouchées doubles, parce que c'est une chance qu'on leur donne là, le Sénégal. Il va, il faut, <laughs> il va falloir qu'il soit conscient de ça, hein, pour pouvoir grignoter des points. Et donc, euh, bon, bah, c'est dommage pour le Burkina Faso. Hein. il revendique mais c'est normal qu'il revendique quand même, hein, parce que mhm. et après, on, ils chamboulent tout, euh, la fédération, etc., etc objectivement, ils ont raison, les Burkinabés. Mais après, bon, voilà, on verra la suite hein, par rapport au Sénégal euh, et à l'Afrique du Sud. Effectivement, actuellement, les nouveaux aussi. Mhm. J'espère que tu habites euh, au Sénégal. Ah non, j'espère, hein, parce que sinon, je vais tirer les rastas aussi, c'est personnellement. <laughs> voilà, en parlant d'Ali c'est Cissé, Moumtamidina Amgan. Euh, il se peut parce que kii nga xamante ne mooy Mbaye mhm. euh, euh, franco-sénégalais euh, mais il n'a jamais eu musul am chance pour jouer à l'équipe nationale de France d'accord mais bi ci liste bi nga xamante ne ñu ngi ko war a mercredi il se peut vraiment am nañ si yaakaar ne dina si bokk mhm. pour mën parce que tamit yàgg na wane wom mhm. pour bokk si équipe bi pour jouer prouver aussi pour prouver représenter le Sénégal être un vrai patriote même si c'est un franco-sénégalais il, est métis ou bien il est black euh, Noir. Il est de teint noir, d'accord, mhm. oui. Bonne division, les football, de France. Euh, genre, s'il est nul, on n'a pas besoin de lui, c'est ça de France, ay yéene yooyu doxuñu ci yooyu. Mm. voilà ku ñu jël France invité mm. na toog foofu mm. rek. Ah. baax na tane na wala fu mu toll ci division yi. Mm-hmm. ouais mais bon comme fii problème mu chance la ñuy wax aussi euh, parce que tamit équipe nationale moom nekkul ku la. Guinée bu mu stressé dina jëlaat fi mu toll dina fa toll ba léegi <laughs> continuer. Milan lay football en tout cas euh, mm-hmm. Fatima Banen Milan lay football maintenant est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est en tout cas de toute façon c'est à Aliou Cissé de voir. Hein. Mm-hmm. voilà. uh, pour euh, Ligue 1 aussi. Mhm. pour nombre de pénalty Nous nga xam ne nii dafa gën a euh, 2005 à 2006. nombre de pénalty hein. Voilà, voilà nombre de pénalty Nous nga xam dafa gën a 53. Mhm. Euh, bi nga xamante le nii tamit Ligue 1 bi Real Madrid moo gagné. Mhm. voilà mais tamit euh, c'est vraiment trop parce que su may gis ay pénalty daf may fàttali El Hadj Diouf. nam daan def. ah les simulations. voilà les simulations. voilà hein. moo tax bu ñu waxee que dafa faut a 53. Mhm. mais nous jouer normal. Mhm. parce que am nous si aussi euh, Fatim Jaruko. ça devient parfois ridicule. Wow, ridicule jékki que nous wala mhm. ñu laal rek voilà <laughs> parfois sax ñi nga xam ne ñoo leen di jël si di leen def si kii dañ leen di jéppi <laughs> parfois da gis ay vidéo yoo xamante ne ni da ngay naan ñii da leen naa mere <laughs> mais c'est souvent stratégique non oui c'est stratégique effectivement ouais, ouais, ouais, ben, et Elas euh, était un fin stratège par rapport à ça ah, et ah. puis il, il le disait hein, il dit ouais mais bon voilà quoi mais il le faisait bien et il le faisait très très bien la fin Sacré voilà ah quoi d'autre et pour terminer, euh, Paris Saint-Germain judo. On va mhm. parler de judo. Avec, euh, Teddy ah, Je l'ai vu à Paris un jour. Il mhm. est tellement chou, gentil, tellement mignon. Ah bon mhm. Yeah. Mm, après, on va parler de ça. J'ai dit, je l'ai vu. Je n'ai pas dit que... Il me connaît. Hein. J'ai dit, je l'ai vu parce que Daniel Kassefem, le je ne lui ai pas parlé, il ne m'a pas parlé. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Et après, tout, on s'est regardé. Je ne me suis pas positionnée, il ne s'est pas positionné. Quand elle dit on n'arrête pas là, c'est quand même tu veux déjà te positionner. Hein. Ah, mais bien sûr. Et eh, ah, avance là-bas. <laughs> Alors, Teddy Riner, oui. Voilà. je suis 16 ans, je Bini. Nous sommes l'âme là, mais nous sommes ken je suis ni dina mëna def ak mom euh, combat ah ouais parce que ñi nga xamantene jot nañ leen contacter aussi dañu bañ. Mhm. ne paré guñu pour euh, dajeek ak Teddy Riner. Teddy renard, il est bon il est bon il est bon. il est gros il est bon. <laughs> il est gros <laughs> oui c'est oui c'est un molosse effectivement il est ouais, il est. masse molaire mhm. mhm. voilà. lolu mom xamna ba amul Sénégal dina neex kenn ko xamantene ni kenn bugg ko affronter. ñu contacter ñu bari ñu xamné ni dañu né nañu bàyyi mu sedd 400 euros voilà euh, yoo xamante ne mensuel la nañu il faut <laughs> Bon bon voilà. chapeau Didi bah attends tu chapeau. fais peur à plein de gens apparemment. Quoi d'autre, c'est fini Ouais, c'est fini. Alors, les internautes ont réagi à l'actualité sportive que Rahma a proposée aujourd'hui. Donc, euh, on va commencer par qui On va commencer par Hassan Dao, il dit, qui dit « Je ne critique pas, mais pour moi, il faut avoir au moins une équipe euh, type Aliou toi aussi, victoire, sinon tu démissionnes euh, Fatima Bakidi, qui dit « Binette, en fait, beaucoup de gens, beaucoup d'internautes aiment beaucoup ta rubrique sport, hein, là. Gardet Sissé qui dit « Au Sénégal, tout le peuple est entraîneur ». Dibindia qui dit « Il n'y a pas plus patriote que Gourgissidien et on ne peut pas reposer toute l'équipe sur ses épaules. Il y a 11 autres basketteurs. » Ça, c'est vrai. Alors, euh, Fissen qui dit en tout cas Gourguet patriote, certes, mais il n'a rien fait de bon pour cette Coupe d'Afrique. Et eh ouais, hey eh ouais, hey eh ouais, sécurité pour Gourguet. Djibinyai qui parle maintenant de la décision du Burkina Faso, il dit mais la décision de la FIFA est irrévocable, donc je ne vois pas l'utilité de l'appel du Burkina Faso. Kumba Minata semble qui dit Je comprends que les Burkinabés se sont un peu lésés par cette décision. Garnett Garnet c'est qui revient, qui dit tant mieux pour nous les Sénégalais, mais si on était à la place du Burkina, on aurait réagi de la même manière. Mhm. C'est pertinent, oui, Fissen, très bien. Alors. Euh, Fatima Ba, euh, non, Djibindiaï qui vient, qui parle de Mbaïnian, qui dit euh, Mbaïnian, <laughs> Boumounio, <laughs> Milan lay football, il est bon, mais dafa rew <laughs> Alors, Divinia qui dit Fatima, il est le Mario quand même, Balotelli, bis, je te jure, Lolo, mon côté, mais un pur talent. Et Fissen Garnet c'est qui vient pour parler. Euh, hop, hop, hop, afficher plus. Bon, le cas de Maignan est la plus grande foutaise de l'histoire <laughs> du foot sénégalais, puisqu'il a refusé auparavant de porter le maillot du Sénégal en se basant sur l'équipe de France. Ils l'ont pas considéré. D'accord, ok. <laughs> et puis ouais, je suis en train de afficher plus. Ok, merci beaucoup. En se basant sur l'équipe de France, ils l'ont pas considéré et nous la poubelle, on le recycle. C'est dingue. Alucissé se fout de nous. Jibinia Kilichoy Fatimo, your eyes in his eyes. Ok, d'accord. <laughs> C'est par rapport à. <laughs> <laughs> par rapport à Teddy Riner. Euh, Daïrou euh, qui revient, qui dit Mbaignan, il n'a jamais voulu jouer pour le Sénégal. De toute façon, on n'a pas besoin de lui. Euh, Madifa Darussalam qui dit Mais Fatim, euh, faut nous montrer le beau gars là sur la photo. Ouais. Et j'attends un rec. Ah, ok, d'accord. Sur, la photo Motorola. Ah. D'accord. Alors Mokhtar Senghor qui dit euh, Baïdouf doit pas venir. Euh, bonjour à mes sœurs de cœur, Mimiko et Lena Savma. Euh, Binet Goudiabine, Moi, je ne juge pas, mais il peut peut-être amener la différence. Donc, euh, Mokhtar Senghor qui revient, qui dit le match d'Afrique du Sud doit pas être rejoué. Donc voilà, les internautes ont réagi par rapport aux news. Et donc, euh, Joyce et, et Bintou vous pensez de quoi justement par rapport aux actus Quelles sont les actus qui vous ont plu, qui ne vous ont pas plu euh, Et puis voilà, euh, donnez vos commentaires. Bah, go ici, j'ai que définitivement c'est mon contribution. À mhm. joueur bi au Sénégal. Mhm. D'accord. Euh, je me dis que côté judo, côté judoka, comment il mhm. s'appelle je me dis que c'est dommage pour lui parce que sa carrière, tu as besoin de combattre pour évoluer, mais aussi côté santé, côté physique et tout ça. mais grave, je suis un peu de à Chikili Boy Dauda Chef. Non, euh, il faut appeler Kenny. C'est vrai qu'ils font pas de judo, mais on ne sait jamais. t'as Voilà, non, quoi. Kader. Mhm. <laughs> D'accord. Ah, je parle seulement du judo. Oui. Ok, euh, pour le sport, c'est ça, c'est aussi le revers du sport. C'est que mhm. c'est le corps humain qui est en jeu, tu vois. Donc quand ça va plus, ça va plus, tu vas pas faire de magie. Mhm. ça, c'est le premier point. Second point, t'es dit, pardon, on ma prière, il faut venir un peu au Sénégal. On va voir dans quelle mesure on va discuter. Ouais, façon, il est mignon Discuter, hein, discuter. causer. ah causer mm-hmm. ah. <laughs> rek loolu yëpp c'est pas la peine que Fatim Fatim rek bu demee Bercy rek eh Allah elle va tout gérer <laughs> kii euh, waa ji nu tudd Singila. <laughs> Hervé Renard. bëri ñun ñu war a présenter xoolal la Diouf ah. Fadiga. c'est ses potos. Mm-hmm. Intimos. Mm-hmm. DJ Awadi. non di awa di ba mu fi ñëwee ba gis Fatim daf ko yëkkati ko ma ne wesh wesh ba nga mais Bintu. oui da ngay dégg ñu naan sama eh, papa lay xaar mu bay ma jëkkër. waaw mais man Fatim lay xaar. Eh. ana neex. bon allez euh, je sais pas si je dois je donne la nouvelle ou pas ou non non d'accord ok donc je donnerai la nouvelle inshallah lundi d'accord ñu takkee bagage pas pareil. waaw inshallah 9h38 minutes c'est l'heure de la